kalau le forum du studio kalau le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum Il est 18h15 à Niamey. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. C'est l'heure du forum de Studio Kalangu, votre rendez-vous journalier de débat radiophonique en français sur des questions d'actualité ou de société que vous vous posez habituellement. Ce soir, nous vous proposons le thème rôle et responsabilité des parents dans la lutte contre l'échec scolaire au Niger défini comme étant le non-aboutissement du projet d'un élève dans le cadre de l'acquisition du savoir et de la connaissance. L'échec scolaire constitue un important frein au droit à l'éducation et un obstacle pour l'avenir social de l'enfant en cas de manque de solutions alternatives. Il arrive en effet que l'enfant manifeste des difficultés d'adaptation ou d'apprentissage dans le monde scolaire dès les premières années de son inscription ou pendant son cursus scolaire au niveau du secondaire, voire au supérieur. Ce phénomène est souvent très mal vécu par la famille de l'élève et ils sont de plus en plus nombreux les parents qui prennent conscience sur le fait que toute la responsabilité de l'échec euh, de leurs enfants ne doit pas être jetée sur euh, ces derniers. Quelles sont donc euh, les causes socio-culturelles de l'échec scolaire Quelles sont les attitudes des élèves en classe qui ne favorisent pas leur réussite à l'école Quelle est la responsabilité des parents une fois qu'ils inscrivent un enfant à l'école et durant toute la scolarité quelles sont les conséquences d'une scolarité non suivie Le rôle des parents peut-il améliorer le rendement scolaire de leur progéniture Quelles astuces doivent avoir les parents pour contribuer efficacement à la réussite scolaire de leurs enfants pour euh, en débattre, nous sommes avec euh, trois invités. Il s'agit de Joseph euh, Aboubakar, il est sociologue et enseignant. Nous l'avons en ligne. Joseph Aboubakar, bonsoir. Bonsoir. Imalam Maman, directeur du Collège d'enseignement général, Serge Antala de Niamey. Directeur, bonsoir. Bonsoir. Et Boukari Gori Ousmane, il est le président de l'Association nationale des parents d'élèves et d'étudiants. Président, bonsoir. Bonsoir, Kalango. À la présentation de ce forum, Michel Dégé. Imalam Maman, directeur euh, du Collège d'enseignement général, ce Antala, expliquez-nous d'abord comment les élèves sont évalués au niveau du secondaire. Quelle est la moyenne annuelle requise pour passer en classe supérieure et dans quel cas l'élève redouble ou est déclaré exclu <coughs> En ce qui concerne les évaluations, c'est un arrêté ministériel qui fixe les modalités d'évaluation. Si nous prenons au niveau du secondaire, par exemple, euh, il y a les, notes de devoirs surveillés, les interrogations, donc, et euh, c'est ça, on fait la moyenne, c'est ça qui constitue la moine de classe mhm. de l'enfant. Ensuite, il y a les notes de composition. Donc, euh, par arrêté ministériel, c'est au niveau du secondaire, c'est deux compositions dans l'année. C'est-à-dire mm-hmm. au premier semestre, on fait les premières compositions et au mm-hmm. second semestre, on fait également les secondes compositions. Mm-hmm. Alors, euh, la moyenne des notes de classe plus la, euh, note de composition, donc euh, c'est ça qui donne la note semestrielle de l'enfant. Donc maintenant, par semestre, les enfants sont évalués. Ça veut dire qu'il y a deux notes dans l'année. En fin d'année, on fait la, ce qu'on appelle la moyenne annuelle. Mhm. Alors, maintenant, tout élève qui a une moyenne annuelle supérieure ou égale à 10 sur 20, euh, pardon, pas 10 sur 20, 9,50 sur 20, mhm. il, passe directement en classe supérieure. En classe supérieure. Il passe en classe supérieure. Mhm. Maintenant, il y a euh, les passants d'un niveau. Par exemple, un enfant qui arrive fraîchement en sixième, n'est-ce pas, qui n'est pas redoublant de sixième, donc à partir de 950, il passe en classe supérieure. Mhm. Maintenant, tout élève qui n'a pas euh, entre 8 et 9,50, l'enfant redouble le niveau. Et